La reprise des activités académiques au niveau des universités publiques connaît des perturbations ces derniers jours. Pour preuve, la recrudescence des mouvements de grève des étudiants. Mercredi dernier, ici à Niamey et à Zender, les étudiants ont érigé des barricades sur certaines artères. Les revendications tournent principalement autour des arriérés de bourses, du paiement intégral de l'aide sociale ou l'achèvement des infrastructures devant servir de salles de cours. Ce vendredi passé, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi a même pour sa part un ultimatum. Il donne jusqu'à la semaine prochaine aux autorités pour que l'aide sociale soit payée. Au cas contraire, il promet d'agir d'une manière forte selon ses propres termes. Autre grogne, c'est celle des commerçants du grand marché de Niamey. Une journée boutique fermée a été même observée, il vous souviendra, le lundi 11 septembre dernier, pour cause l'augmentation des tarifs de location des boutiques du grand marché pour sauver la Socogem, la société de construction et de gestion des marchés, qui est en difficulté. Ainsi, les augmentations concernent les boutiques de la catégorie A qui passe de 6 320 francs à 40 000 francs, la catégorie B qui passe de 9 480 francs à 60 000 francs et la catégorie C qui passe de 12 640 à 80 000 francs. Volet judiciaire signalant la libération d'une part de Siraj Issa, le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène, qui a été arrêté pour outrage à un citoyen chargé d'un service public. D'autre part, le fondateur du journal Le Courrier, Ali Soumana, a bénéficié lui d'une liberté provisoire poursuivie pour complicité de soustraction de pièces de procédure et de violation du secret d'instruction. Il était incarcéré à Filengue. En cinéma, Omar Kadir Koda, écrivain et cinéaste nigérien, fait honneur au Niger. Il a remporté le prix du meilleur documentaire et le prix spécial, le prix de l'intégration africaine à la 17e édition du concours de films court-métrage intitulé Clap Ivoire qui s'est tenu en Côte d'Ivoire du 4 au 9 septembre passé. Omar Kadir Koda nous explique ici ce qu'il décrit dans son film documentaire intitulé Les faiseurs de bonheur. Je décris le travail des fabricants de marmites en aluminium de Katako. L'extrême difficulté de leur travail. Le film décrit l'archaïcité de ce métier-là qui est introduit à Niamey depuis environ 50 ans. L'importance de ces marmites dans la vie sociale. Et le jury, à l'unanimité, avait choisi ce film parce que tout Africain se retrouve dans ce film. Hajj 2017, les pèlerins nigériens ont commencé à regagner le Bercail depuis le mercredi 13 septembre dernier avec un premier vol charter qui a acheminé 560 passagers Selon Mustafa Kadi, membre de l'équipe d'encadrement des pèlerins du Niger, il est prévu 19 vols de ce genre du 13 au 27 septembre prochain.